Félicitations à tous ces agents. le euh, 4 avril notre fête de l'indépendance Nous organisé une cérémonie de remise de décoration euh, des agents des douanes euh, en activité et, certains agents des douanes à la retraite médaille d'honneur de la douane pour brûler son engagement top topoto, woon ligue

Euh, may profité ci occasion bi di leen féliciter di leen encourager di dalal aussi xelu wa douane que ni xam nañu njariñu seen taxawaay ndax dafa yaatu lool euh, douane boko déggé déggee lu ci bari ya nga xol recette yi rek waaye douane dafa am dafa nek levier économique euh manam aussi da dafay euh, bokk ci force yi nga xamni ñoy ar aar réew mi dégg ngeen ni thème mu reenu indépendance bi mooy nan la ñuy def ba nga xam ne force yooyu force de défence et de sécurité dinañ dugal seen loxo bu baax ci jàmm yàgg fi sax fi ak aar suñu réew douane taxawaayam ci la bokk. moo tax dégg ngeen ci discours bi ma ne directeur général nañ ko yaatal ji ma yokk seen lëkkaloo ak yeneen administration lëkkaloo ak yeneen douane yoo xam ne ñu ngi ci sous région bi ba nga xam ni Sénégal dina aar bu baax. douane euh, ginnaaw euh, am na objectif. fiscal à objectif euh, économique à mission sécuritaire euh, mission fiscale pour programme et budget euh, ci donc bis bu mesures pour recettes mais également pour sécuriser sécuriser frontières nous on a fait appel aujourd'hui à, l'informatique euh, avec les scanners avec euh, euh, bientôt avec des drones pour mieux assurer la surveillance des frontières pour mieux asseoir donc la perception pour mieux lutter contre la fraude. Merci, Son Excellence, merci.